Salam alaikum Boki. Nous ngi fii tey ci Cambérène ci xabru Seydina Issa Lay pour 138e appel bi mu woote cérémonie officielle bi fi la ci euh, jàmmalaahi si xabru Seydina Issa Lay. appel bi nak thème bi moy euh, l'islam religion juste religion d'équilibre et du juste milieu ñu bàyyi leen nak ngeen ñi xol waxtaan bi fi jotta a Da gis ni suñu njaboot gi moy xalé yi ñooy siiblu fi ñu toll gaa yi xale yi ñooy siiblu ni ma waxee sànq xale gaa yi nanu bàyyi xel gaa yi sunu njaboot na réew mi bàyyi xel xale yi yàlla na leen yàlla may xëy wax naa leen ci bi ñuy na ma leen ñetti crise moo am ci àdduna fii ñu toll la crise sécuritaire wax naa ko sànq Deuxième but, c'est la crise migratoire. Troisième but, c'est la crise écologique. Zahar al-Fasad le barri, wal bahri bima. Donc, nous a des yàqaat nous. déséquilibre lu a def Nous yi daanu ci océan bi ñu leen di ray leen fi ak ñeneen ba jël nañu sunuy alal mais yàlla ci mbaaxam def na ni tey jii ñëpp a ngi retourné Afrique continent bu vierge la mais ñun suñu main d'œuvre la ñu tabaxe seen i économie seen i nangam mais tey soxlaatunu nu waaye soxla nanu nag li ñu yor ah xale yi di daw di daanu ci géej gi ñii di daanu fi nee naa leen daanu ci géej gi nag lu ci bari ci suñu societé ci lañu nee naa leen yor njaboot ci sa kër ay njaboot doomu diw de moo étage fee yow nag da ngaa ñàkk jom xale bi toog rek xanaa gisoo diw fële la jóge amoon diw amu xale bi xëy soog nga géej gi ndeysaan ndax jom ba dugg ci géej bari na loo ci kër yi la nit ñi nañu gëm yàlla kon gars yi sant nañu yàlla bu baax fi may tëje fu ñu bëggee kawe la góor ga waxoon def naa imaam Shafii la iza aradtumu dunya fa aleykum bil ilmi wa ida aradtum al axira fa aleykum bil ilmi wa ida aradtum dunia wal axira fa aleykum bil ilmi allahuma salli ala sayyidina wa kullu amin wa antum bi xayr Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie. Donc la raison de ma venue, elle est tout à fait naturelle parce que c'est un appel dont le début se déroule déjà dans la circonscription administrative de, des parcelles assainies. Donc je suis venu en tant que représentant donc, euh, de l'État. Donc, euh, je me réjouis de ce que j'ai pu entrevoir aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que les engagements qui avaient été pris par l'État au cours des différentes réunions, donc que ce soit le CRD ou le CDD présidé par le gouverneur et le préfet, et même le CRD national qui a été présidé par le ministre de l'Intérieur en personne, que les engagements qui avaient été pris sont en cours de euh, réalisation. Donc euh, en attendant effectivement la journée de demain qui se déroulera à Yoff. Donc euh, c'est avec beaucoup de fierté que je peux témoigner que ces engagements-là ont été respectés, en tout cas pour ce qui concerne l'État. Faire en sorte que, que tout le monde soit béni, que tout le monde puisse pratiquer sa religion dans l'équilibre et dans la, dans la paix, dans la concorde. Le thème de cette année, comme l'a bien développé nos, nos illustres marabouts, c'est l'islam, religion d'équilibre et de justice qui peut nous pousser tout de suite au fait que le Coran est dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion au Sénégal, ça s'est vérifié et ça s'est pratiqué par nos juristes euh, anciens. Aujourd'hui, pendant cette cérémonie, nous pouvons rencontrer toutes les couches religieuses, familles religieuses du Sénégal sont, euh, sont venues. Les gens sont venus de Touba, de Tuawan, de Ndiassan, etc. Pour venir commémorer avec la communauté laïenne la célébration de l'appel du Seigneur Imam Alayhi Salam nos, parents chrétiens et nos amis chrétiens ont fait le même déplacement. Ce qui justifie et qui montre qu'effectivement au Sénégal, toutes les communautés peuvent vivre en harmonie, dans la paix et dans la concorde. Cela nous permet de penser aux enfants, de leur enseigner toutes ces pratiques pour qu'ils puissent comprendre qu'effectivement, quelqu'un qui en doctrine, jusqu'à ce qu'il puisse prendre des bombes entrer dans, ce dans de mosquée et s'exploser et tuer des innocents en même temps veut tout simplement obliger les gens à une seule croyance, qui est interdite par l'islam. Donc tout ça, l'harmonie que nous avons, a permis à nos juristes de, vous montrer effectivement que la voie à suivre aujourd'hui dans ce pays, c'est la voie de l'islam confrérique, d'islam d'équilibre et de justice milieu. C'est aujourd'hui le thème de cette année. Je vous remercie.